sur le chemin de Dori à la rencontre de l'impressionnant convoi de camions de marchandises à destination de Niamey, nous étions un groupe de reporters à suivre les éléments des forces de défense et de sécurité. À quelques encablures de Petelkoli, les militaires ont procédé à des fouilles ayant permis de détruire un pôle logistique. Celui-ci est composé d'une trentaine de motos et divers outils servant de pièces de recharge au groupe armé terroristes. Et comme vous pouvez le constater derrière moi sur place, l'instruction a été donnée par le chef de la mission pour son incinération. Avec d'impressionnants moyens humains et logistiques engagés, faisant preuve d'un professionnalisme avéré, ce convoi militaire est arrivé à bon port à Dori, grande localité de l'Est burkinabé. À Dori, les deux armées ont fait jonction pour transférer la protection des marchandises au FDS nigérien. Le convoi escorté est énorme, gigantesque. Pas moins de 300 camions ont été escortés par le FDS avec responsabilité. Aucun incident, aucun anneau sécuritaire, l'opération s'est déroulée dans une parfaite harmonie. Vigilance, rigueur, professionnalisme, sens des responsabilités ont été les maîtres mots qui ont guidé la réussite de cette opération c'est le lieu pour nous qui étions les témoins directs de cette opération de saluer et de rendre un vibrant hommage au professionnalisme, à la responsabilité et au courage des forces armées nigériennes.